le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Fidèles auditeurs et auditrices, euh, bonsoir. Il est 18h15 C'est l'heure du forum du studio Kalangou, un studio que vous suivez chaque jour à travers un réseau dynamique de 34 radios partenaires qui diffusent en direct nos programmes dans une vingtaine de départements du pays ainsi que dans toutes les capitales régionales. À Niamey, vous pouvez nous suivre sur Alternative FM 99.4 MHz, Quartet FM 90.9 MHz ou Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook, c'est Studio Kalangu et notre site internet www.studiokalangu.org. Très ravi de vous retrouver pour le rendez-vous du forum de ce soir, le forum du studio Kalangu. C'est ce débat radiophonique sur des thématiques riches et variées traitant pratiquement de tout dans le seul but de vous éclairer sur plusieurs questions d'actualité ou de société que vous vous posez souvent avec des spécialistes du domaine. Ainsi, le thème que nous vous proposons ce soir est l'état, définition et mission un cadre juridique de la société défini par le droit public et qui a pour thèse fondamentale une constitution à travers laquelle tous les pouvoirs s'exercent dans l'intérêt du bien commun un concept qui vous est sans aucun doute familier, sans pour autant que vous cherchiez parfois à comprendre en profondeur ce qui caractérise l'État. Attention, il ne faut pas confondre l'État, qui, il faut comprendre à ce niveau que l'État s'écrit avec euh, E majuscule. Alors qu'il est censé assurer la protection et la liberté des citoyens, il peut malheureusement également être perçu comme une source d'oppression ou un instrument de domination d'une classe sociale sur une autre. Que signifie donc l'État et quel est son rôle véridique Quel est le rapport existant entre la société et l'État Peut-on imaginer une société sans État Quelle différence existe-t-il entre l'État et la nation en quoi l'État est-il nécessaire dans la vie d'une nation L'État est-il réellement le seul garant du bonheur et de la liberté des individus L'État est-il toujours légitime sous toutes ses formes Que signifie la souveraineté populaire Si l'État s'impose à la société, dans quel cadre juridique celle-ci peut-elle s'opposer ou faire entendre sa voix lorsqu'elle voit ses droits bafoués L'État, pour exprimer sa puissance, dispose du monopole de la violence légitime. Que faire pour qu'il n'y ait pas d'abus Faut-il craindre l'État Que faire pour contribuer à la bonne marche de l'État voilà en gros les principales questions auxquelles nous tenterons de trouver des éléments de réponse au cours de ce forum qui reçoit comme invité ce soir M. Hussein Salatou, ancien ministre, philosophe et homme politique. M. Hussein Salatou, bonsoir. Bonsoir Michel. Le second invité, c'est M. Loli Abdoulimam, professeur de philosophie ancien conseiller pédagogique et actuellement en formation pour l'inspectorat en philosophie. Monsieur Lolé Abdelimam, bonsoir. Bonsoir, monsieur Digi. À la présentation de ce forum, Michel Digi. Oui, nous allons commencer avec vous, Monsieur Lolé Comment est-ce qu'on peut définir euh, le concept euh, État Merci, M. Dj. Euh, L'État, on peut dire en gros, c'est une communauté juridique. L'État, c'est l'autorité politique d'une entité humaine. Mm-hmm. ok euh, c'est le gouvernement et surtout l'ensemble des institutions, n'est-ce pas, au travers desquelles donc, il manifeste son autorité. Mm-hmm. Donc, je pense qu'on peut résumer l'État un ensemble d'organes, mm-hmm. n'est-ce pas, et d'institutions de diverses natures politiques, administratives, juridiques, etc. Euh, donc voilà, je crois en gros, ce que c'est que l'État, c'est un ensemble d'organes, un ensemble d'institutions, n'est-ce pas, politiques, juridiques, administratives, etc. Euh, Monsieur Hossein Salatou, on dit qu'il faut y avoir euh, une population, un territoire, un gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut ajouter par rapport à la définition de l'État Oui, bon, vraiment, c'est la définition que Léola a donnée, seulement au point de vue maintenant international, dans les textes juridiques, mm-hmm. au point de vue du droit international on dit que l'État, c'est une communauté humaine mm-hmm. établie sur un territoire et soumise à une autorité politique. Mm-hmm. Donc, trois critères définissent l'État. Il faut d'abord qu'il y ait une communauté urbaine, mm-hmm. un ensemble de populations. C'est-à-dire une population. C'est-à-dire une population. Cette population a créé un territoire bien déterminé, aussi bien le ciel que la terre, et qu'elle soit soumise à une autorité politique, c'est-à-dire un gouvernement. Aujourd'hui, euh, la science politique ajoute il faut aussi que l'État ait une certaine souveraineté. C'est pourquoi on dit que la Palestine, jusqu'à un certain période, n'est pas un État. On mhm. ne parle pas de l'État palestinien parce que la population palestinienne était dispersée un peu partout dans les pays arabes mhm. et, et n'avait pas de territoire. <laughs> Est-ce que vous voyez Et l'autorité politique, c'est-à-dire le gouvernement palestinien, était ailleurs. Je ne sais pas, c'était en Tunisie que se trouvait Yasser Arafat à un certain moment. Mhm. C'est lorsque la population a commencé à revenir sur les territoires palestiniens, Ils ont occupé un espace bien déterminé. on a dit l'autorité palestinienne s'est installée, qu'on a commencé à parler. Jusqu'à présent, vous voyez que certains pays refusent d'accepter que la Palestine soit un État. Donc, c'est ces trois critères-là qui fondamentalement définissent l'État, en tout cas au plan international dans les textes de droit constitutionnel, la, philosophie, bon, c'est un autre aspect. Euh, on parle, c'est parti d'ailleurs, c'est mhm. lequel on va revenir, à mhm. savoir. Euh, voilà, donc il faut ces trois principes euh, fondamentaux une population, un territoire, mais aussi un gouvernement. Oui. Mhm. Il faut la reconnaissance par les autres États tiers Oui. cest que le la souveraineté. ça la souveraineté. Pour que le Niger existe, il faudrait que les autres États reconnaissent que l'État comme étant un État. Voilà, parce que même euh, pour mhm. survoler le territoire national, les avions officiels ont l'obligation de l'indiquer à l'État. Tout à fait, nous allons voir les missions de l'État, les mhm. rapports mhm. qui existent entre les individus et l'État. Et donc, euh, quel rapport, M. Euh, Monsieur Lola de entre la société et l'État Entre la société et l'État. Oui, euh, bien sûr. En fait, comment dire, euh, la société est une forme d'organisation de l'État. Mhm. Vois-tu, c'est-à-dire, euh, il y a eu plusieurs formes d'organisation. Avant l'État, les hommes ont vécu, par exemple, en tribu, n'est-ce pas, en caste, etc. Mhm. Donc, il y a eu plusieurs formes. Mais la forme, quand même, la plus raffinée aujourd'hui, la plus moderne, c'est bien sûr l'État. Mhm. Donc, l'État conçoit une forme d'organisation sociale. Voilà ce que je peux dire. Hein, voilà. Oui, monsieur. Oh. Vous nous amenez à, remonter au point de vue historique. Nous avons vraiment cette belle analyse d'Aristote. Mhm. En partant de l'origine même de l'État, il estime que d'abord, il y a eu la famille, c'est le père et la mère, mhm. qui ont été ensemble, dont le but est la procréation. Est-ce que vous appelez, il y a eu véritablement la famille. Mhm. Après, il va y avoir le village après, ils vont, l'ensemble des villages ils vont former la, la communauté, la, la, société. Bref, euh, la société, c'est un ensemble d'individus qui, désirent de vivre ensemble et qui échangent des rapports. ce rapport-là, c'est d'ordre, ce n'est pas d'ordre héréditaire comme chez les animaux, mhm. mais c'est d'ordre culturel. Établi sur des normes. Sur des normes, mhm. ce que vous voyez. Donc, euh, maintenant, euh, quel rapport entre la société et l'État un estiment que, bon, les gens peuvent désirer de vivre ensemble sans qu'il y ait une autorité au-dessus d'eux. Parce que l'État, en réalité, quand on dit l'État est établi sur un territoire et mise à une territoire politique, on dit tout simplement l'État, c'est l'autorité politique. Et il y a une confusion. On dit, en parlant d'État, on dit le gouvernement nigérien ou l'État nigérien. Mais mm-hmm. en réalité, il y a une séparation. Mhm. Parce que l'État peut demeurer, le gouvernement peut quitter. Nous avons, <laughs> nous avons l'État du Niger. Mais le gouvernement incarne l'autorité de l'État. Voilà, c'est À un moment précis. Il y, a, une forme d'immanence, si je peux l'appeler comme ça, entre l'État et le gouvernement. C'est pour ça qu'il y a confusion. C'est pour ça qu'il y a même cette confusion. Sinon, c'est deux concepts voilà. différents. Mais on estime que la société mhm. est à part et l'État est au-dessus de la, société. C'est elle mhm. qui organise la société. Mhm. C'est un peu compliqué, mais je pense que ce sont les membres de la société qui se donnent pour tâche de s'organiser. Et c'est cela, on verra ça dans l'origine même de l'État, mhm. comment l'État est né, hein, euh, euh, euh, si vous permettez, parce que les, gens estiment que, bon, il y a eu d'abord les premiers analystes qui sont d'obédience chrétienne. Hein, Thomas d'Aquin, par exemple, qui estime que le foie est euh, d'origine divine. Mhm. Et ce qui a prévalu pendant le XVIe siècle. Mhm. Rappelez-vous de la Révolution française où le roi était le représentant du Dieu sur terre. Tout à fait. Vers le XVIIe, XVIIIe siècle, il va avoir la théorie contractuelle de l'État. C'est à mhm. dire que non, le contrat, euh, l'État est né sous la base d'un contrat ou ce que les gens appellent le pacte social. Il y a eu beaucoup de théories. C'était au temps de Louis XIV. Lieu 14, mhm. je ne vais pas remonter de l'histoire, je ne suis pas un historien. <laughs> Vous savez tout ce que ça a donné comme en tout cas crime. et, il y a eu la révolution de, 1789. Bon, l'État moderne sur la base, la en tout cas, des, grands théoriciens, mhm. dont les, plus, les, trois qu'on prend le plus souvent, c'est euh, John Locke, c'est Thomas Hobbes, c'est Jean-Jacques Rousseau, mhm. qui ont des perceptions plus ou moins différentes, plus ou moins approchées, mais tous pas de l'idée qu'il y a eu d'abord une, première forme d'État qu'on appelle l'État de nature, mhm. qui n'est pas un État qui a probablement existé, mais c'est une mhm. hypothèse de travail, qui dit les hommes avaient vécu dans une situation d'insécurité, ce qu'on appelle l'État de nature, c'est la loi du plus grand, la loi, la loi qui prime, c'est la loi du plus grand. C'est un État où il n'y a pas de vie. Où l'homme est loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme, comme mhm. dit euh, Hobbes. C'est la guerre contre, de tous contre tous, etc. etc. Et, mais les hommes, à un certain moment, se sont rendus compte que bon, ne peuvent pas continuer à vivre dans cet État, d'une d'un État parce que en il n'y a pas de vie. Mhm. Ta vie est menacée. Il n'y a mhm. pas de propriété. Tu dis, cela, c'est ma femme. En cours de route, quelqu'un de plus puissant te prend et te la prend. Tu mhm. vas devant quelqu'un de plus puissant. Il n'y a pas de paix, il a pas de. C'est la loi du plus fort. La loi du niveau. plus fort. Alors, les hommes ont dit, ah, on ne peut pas continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut signer un pacte social ou un contrat social. Le contrat social. C'est l'appellation du fer Et c'est ainsi que l'ensemble de la communauté a décidé, ensemble, de s'entendre pour signer ce qu'ils appellent le pacte social pour mettre ensemble leur volonté. Je n'ai pas la de l'intérêt parce que la conception du, pacte social de Hobbes, mhm. est Elle diffère de la conception du pacte social de John, Locke et de, Rousseau. Hobbes pense que l'homme est mauvais par nature. Par nature et que le mhm. pouvoir ne doit pas être partagé. Lorsque les mhm. gens vont signer le pacte, hein, lorsque les gens <laughs> euh, vont signer le, pacte, entre eux, ils vont euh, se soumettre, obéir à un souverain, qui a le droit de vie et de mort. la conclusion, dit que la conception de la théorie aboutit à de la dictature ou au despotisme. Mais faites attention, sa préoccupation est qu'il dit le pouvoir ne doit pas être séparé, sinon ils vont se concurrencer et on risque de tomber dans l'état de nature. <laughs> Mhm. voilà l'analyse, on faut l'analyser vraiment avec une certaine lucidité. De toute façon, on considère que ça aboutit à du despotisme. Mhm. Dans la conception de Locke, mais plus, plus chez Rousseau, les gens se, signent le contrat entre eux, il s'agit des représentants Hein, qui, qui, qui, sont censés respecter le contrat qui, qui, qui exerce le contrat à leur nom. Mmh, mmh, mmh. Et s'ils n'obéissent pas à ce que le contrat dit, alors les gens ont le droit de désobéir, de se révolter. Ce qui n'est pas le cas chez Hobbes. On, on, pourra dire que Rousseau est l'annonciateur véritablement. Rousseau de qui explique que la souveraineté, dans tous les cas, elle ah, appartient au peuple. Donc c'est au peuple de décider s'il faut laisser. Incarné par, par, la loi. Oui, <laughs> on voit clairement Monsieur Loli Abdelimam. Alors est-ce que une société peut essayer, décider de s'opposer contre l'État ou tout, disons, est-ce qu'on peut dire qu'une société peut exister sans l'État? Oui, bien sûr, il y a eu euh, plusieurs formes d'organisation sociale avant l'État, c'est ce que je disais tantôt. Mhm. Les gens ont vécu en clan, en tribu, etc. C'est des formes d'organisation sociale. Donc euh, c'est possible, mais aujourd'hui quand même, euh, si vous voulez, avec le nombre élevé, euh, si vous voulez, de composantes de la société, je mhm. pense que la meilleure forme, en tout cas toutes les sociétés aujourd'hui ont tendance à s'organiser dans le cadre de l'État, mhm. parce que c'est la meilleure forme, n'est-ce pas, qui organise sous la forme d'institutions et d'organes. Est-ce qu'on voit que l'État a des détracteurs, il y a des gens qui pensent que l'État ne doit pas exister. Oui, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'il faut préciser à ce niveau <laughs> Oui, vous avez bien sûr euh, des tendances. Je vais dire en tout cas, par exemple, des auteurs qui défendent qu'il euh, faut supprimer l'État. Par exemple, euh, vous avez même des auteurs. Hein. Exemple Karl Marx, n'est-ce mhm. pas Pour lui, l'État est un fait historique mhm. qui consacre la domination d'une classe sur d'autres. La classe dominante. Voilà. C'est-à-dire, quand il dit un fait historique, c'est-à-dire partout et toujours, il y a eu dans l'État une classe qui domine et opprime d'autres. L'État mhm. est une machine d'oppression d'une classe sur l'autre. Euh, c'est pour ça qu'ils pense que si la fin de l'État euh, devrait quand même arriver, mhm. euh, n'est-ce pas, avec, ou du moins, si à la fin de l'État on devrait aboutir, par exemple, à la cessation de la domination de l'homme par l'homme, mhm. cette fin de l'État se devrait, se traduire par un dépérissement progressif de l'État. L'État devrait pouvoir dépérir progressivement. Mhm. Donc, il a prévu ça. Euh, bon, je pense que si vous regardez la situation actuelle, c'est qu'effectivement, euh, tous les États, si vous voulez, modernes, ont tendance quand même à se confiner dans ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. Mhm. N'est-ce pas euh, Prenez par exemple au Niger, beaucoup d'entités étaient sous la coupe de l'État. Mais mhm. plus on avance, l'État privatise. Mhm. N'est-ce pas euh, L'eau, le téléphone, avant tout était la propriété exclusive de l'État. Mais plus on avance, plus il, privatise. Qu'est-ce qui explique cela, le fait que l'État, on peut dire, se désengage par rapport à plusieurs aspects euh, qui concernent cependant la vie de la nation Parce que quand vous uh-huh. prenez l'eau, quand vous uh-huh. prenez la uh-huh. communication, c'est fondamental quand même. Tout à fait. Et même mm. beaucoup d'aspects, à un moment, on parlait de privatiser les hôpitaux je ne sais pas ce qui va rester au Niger, ainsi de suite. Donc, euh, effectivement, euh, l'État se désengage parce qu'il se focalise surtout sur ses fonctions dites régaliennes. Ce sont les fonctions traditionnelles. oui, elles sont nombreuses. Effectivement, ça dit c'est la raison d'être même de l'État. Si nous mhm. sommes dans l'État, c'est pour que l'État nous assure un certain nombre euh, de choses. Et mhm. c'est cela qui est résumé dans, dans ces fonctions régaliennes. Parmi elles, on peut citer, par exemple, la mission de souveraineté. Mhm. L'État a la mission. Tout à l'heure, nous avons dit que pour qu'il y ait État, il faut un territoire. Donc, l'État a le devoir euh, y compris les armes à la main, euh, de se protéger, de, de, disons de, s'élever pour lutter contre toutes les velléités, toutes les, euh, voire même les individus qui mhm. veulent donc enfreindre, n'est-ce pas, l'intégrité du territoire, mhm. n'est-ce pas Donc et ça, l'État a ce devoir absolu de protéger l'intégrité du territoire. À l'intérieur maintenant du, territoire, il mm-hmm. utilise donc d'autres institutions. Euh, par exemple, par la police, n'est-ce pas euh, Il veille, euh, si tu veux, donc à ce qu'il y ait l'harmonie, mm-hmm. n'est-ce pas À ce qu'il y ait l'ordre à l'intérieur de l'entité la mm-hmm. charge. Par exemple, à l'aide des tribunaux, il peut essayer de régler les différents conflits, n'est-ce pas, qui peuvent naître entre les particuliers, mais aussi entre particuliers, États etc. Hum. Donc, euh, il a cette mission-là, n'est-ce pas, de souveraineté, c'est-à-dire protéger l'intégrité du territoire et mettre, assurer l'harmonie et l'ordre à l'intérieur de, la communauté. Euh, je pense qu'il y a aussi la mission économique de l'État, hum. qui est certainement assez large. En gros, elle consiste à permettre aux citoyens d'accéder aux biens rares. Mhm. Il n'est pas normal que, euh, en tant que citoyen, je cherche quelque chose euh, dont je ne puisse pas accéder. C'est pour ça que toujours dans le cadre de cette mission, l'État mhm. doit assurer, euh, en fait, doit faire en sorte que les individus puissent accéder à des revenus, n'est-ce pas, à l'issue d'un travail, bien sûr. Je ne dis pas que l'État doit donner du travail à tout le monde, non. évidemment, il se fait aider par des sociétés qu'il encadre, etc., n'est-ce pas, qui, l'aident à remplir ces fonctions-là. entre toujours dans le cadre de la mission économique de l'État, le fait que l'État doit investir dans tous les domaines. Euh, sociaux, n'est-ce pas euh, strictes, euh, vraiment qui aident au bon épanouissement de l'individu. L'État doit investir dans les routes, l'État doit investir euh, dans le téléphone, l'État doit dans la communication, et ainsi de suite. N'est-ce pas C'est autant de secteurs donc, dans lesquels l'État doit pouvoir investir. La mission économique, comme je l'ai dit, est très large. Hein. par exemple, par la douane, il protège pourquoi pas, les unités productrices locales. Hum. N'est-ce pas si nous avons par exemple une société comme Enitex, voilà, hum. <laughs> par exemple, nous ne devons pas euh, permettre que, par exemple, l'épargne vienne depuis la Hollande et vienne perturber le marché local. Mhm. Et donc, l'État doit mettre euh, des freins, par exemple, euh, il doit mettre des taxes, etc., pour mhm. pouvoir permettre donc à cette unité, justement, de prospérer. Mhm. Parce que si elle prospère, elle donne du travail, elle aide, l'État, donc, dans commander la satisfaction de ses besoins-là, ainsi de suite. Donc, c'est tout ça, en gros, hein, la mission économique de l'État qui est assez vaste. D'autres missions également, par exemple, la mission sociale, voilà, voilà, la mission éducative, l'État, l'État doit, je pense, éduquer euh, vraiment ses fils. Bon, évidemment, tout seul, peut-être qu'il ne peut pas le faire, et partout on le voit, il se fait aider par des privés, mais qu'il contrôle etc., puisque c'est lui qui organise tout, mm-hmm. Mm-hmm. Euh, ceux qui enseignent là-bas, la qualité de ceux qui enseignent, l'État veille, etc. Euh, la mission culturelle n'est-ce pas, elle doit, euh, comment dire, préserver la sauvegarde de l'identité culturelle euh, de la nation. La mhm. mission sociale, par exemple, visée à réduire les inégalités, euh, mhm. visée à assurer la santé des populations, etc. Je pense que c'est pour ça que donc les, les États se concentrent dans ces missions-là. C'est par exemple, à mon avis, le fait que c'est ce qui explique que par exemple, dans beaucoup d'États modernes aujourd'hui, il y a par exemple moins de ministres que chez nous. Bon, mhm. puisque si tu veux, dans chez nous, la démocratie est en train donc de s'édifier et tout. Euh, tout se fait sous la règle de partage et tout. Mais là-bas, ils se focalisent sur ces missions régaliennes mm. L'État doit assurer ça. C'est pour ça qu'il y a vraiment un minimum. Euh, vraiment de ministre, Avec trop peu euh, de, personnes, on peut faire fonctionner l'État puisque on se focalise sur ces missions-là. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble hein. si on est ensemble, mhm. l'État doit pouvoir assurer un certain nombre de choses, un certain nombre de prérogatives. Et c'est pour ça, donc, voilà, il ne doit pas faillir par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça que la plupart des États se focalisent sur ces, missions-là, n'est-ce pas, qu'on peut appeler donc de, de régaliennes. Voilà ce que Donc vous pensez que c'est une bonne chose que l'État se désengage par rapport à certains euh, aspects de la vie euh, des citoyens, notamment l'eau, vous avez non, dit. Non, il ne se désengage pas, à mon avis. Euh, mhm. Quand, on, l'État privatise, en fait, c'est qu'il permet à des sociétés de fixer leurs taxes, mhm. souvent, parce que l'État contrôle, mais très souvent, l'État des faiblesses également, M. Lollier. Voilà. Euh, je pense que ce n'est pas un désengagement total, puisqu'effectivement, ils privatisent, ils privatisent certains mm. aspects, mm. Euh, certains domaines, etc. Mais à mon avis, c'est pour mieux se concentrer sur ceux qui sont essentiels, mm. tels que la sécurité, tels que l'harmonie, euh, n'est-ce pas, euh, la symbiose entre tous les membres de la communauté, etc. C'est autant de choses, je pense, qui sont euh, un impératif, n'est-ce pas Et donc, c'est pour ça que, donc, petit à petit, en tout cas, partout, on, on se rend compte, n'est-ce pas, l'État n'est plus tentaculaire comme il était au début et que vraiment, on a cette impression euh, que, bon, partout, en tout cas, il se désengage, si je Enfin, en tout cas, il abandonne certains domaines, n'est-ce pas, considérés peut-être comme secondaires par rapport à d'autres. Oui, monsieur Hossein Salato. Euh, ça, ça va revenir sur euh, cette idée de société-État. Est-ce qu'il y a des États, des sociétés sans État Je pense qu'au-delà de la théorie fictive mm-hmm. de l'état de nature et de certaines théoriciens, notamment comme euh, Bagounim, euh, les anarchistes qui disent que le désir de vivre en commun mm. et en chaque être humain, on n'a pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour venir nous mm. dire et considère que l'État même c'est des cimetières de liberté, avec pour autant, etc. Je pense que euh, de manière pratique, on ne peut pas trouver une, société sans État. Parce que mm-hmm. l'État, c'est quoi C'est l'autorité. Mm-hmm. Quand vous prenez, c'est vrai, là, voulu parler du clan, il y a toujours un chef de clan. La tribu, il y a toujours un chef de tribu. Même chez les animaux. il y, a, il y a une hiérarchie. Même chez les animaux, il y a un chef. Mm. Est-ce que vous voyez Et l'expression de l'État, c'est l'expression de l'autorité et ça s'inscrit dans toute organisation sociale. À commencer par la famille. Il y a le chef de famille. Mm-hmm. dès que vous venez le premier jour à l'école, on dit qu'il faut changer responsable de classe. Est-ce que vous voyez Donc je pense que le désir, les hommes ont ce désir-là de vivre ensemble et de se sentir qu'il y a quelqu'un qui au-dessus de tout le monde pour euh, euh, euh, comment organiser la vie en société. Mhm. Donc, fondamentalement, est-ce qu'il y, est y, a une société sans État Je ne le pense pas, au-delà des théories qui ont été véhiculées, que pour permettre d'expliquer la situation présente. Parce qu'on suppose, ces théoriciens supposent que c'est une nécessité de préservation de la vie, mhm. de la liberté, de la paix, disons, des droits naturels qui ont poussé les hommes à vivre en société euh, par à travers le, contrat social et à inventer le droit positif, qui rationalise en réalité, qui est une rationalisation du droit naturel qui est l'expression des désirs et des passions. Mhm. Donc, euh, c'est de la théorie fictive, mais je pense que l'autorité est dans chaque organe, chaque groupe quand vous les prenez, les animaux, même les oiseaux, il y a toujours un chef de groupe qui est, qui est devant. Donc, euh, l'État est toujours du fait dans, n'importe quelle société, qu'elle soit animale, qu'elle soit humaine. Je pense qu'il y a l'expression de l'autorité on a l'impression qu'il y en a qui essayent de s'opposer à l'État. Quand on parle de l'État, ils disent ce n'est pas nous. Monsieur Hossein Salato, ils disent ah, ça c'est l'État qui a dit. on a l'impression qu'ils essayent de se soustraire à l'État alors que l'État leur dicte euh, toutes les lois qui sont assujetties à ce qu'ils font. On voit Aristote qui dit l'homme est un animal politique. Euh, qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau Qu'est-ce qui fait cela normalement, la, le contrat social que nous appelons aujourd'hui la Constitution mhm. doit être l'expression de la volonté populaire. Dans l'article 4 de, notre, de notre Constitution, on dit la souveraineté nationale appartient, au, peuple. Est-ce mhm. que vous voyez C'est mhm. ça que euh, Rousseau appelle la, volonté. C'est ça le sens de la, volonté C'est la loi fondamentale. Donc, euh, en, en, obéissant à l'État, en obéissant à cette Constitution, je n'obéis à personne. Comme le dit Jean-Jacques Rousseau, je n'obéis qu'à moi-même. Parce que j'avais participé à l'élaboration de cette loi en quoi faisant par le référendum en votant. Mhm. Donc, normalement, je suis engagé, seulement à travers la démocratie, à travers la majorité de l'opposition. Moi, j'étais contre, mais il y a 51% qui ont dit donc je dois accepter. Mhm. Maintenant, où se pose le problème C'est lorsque celui avec lequel j'ai signé le contrat, c'est-à-dire le député et comment on appelle ça, le président, mhm. etc., qui doivent exécuter ce contrat, lorsqu'ils sont en train de violer ce contrat-là, je, je, je, je, trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce n'est plus cet État pour lequel j'ai voté. Ce n'est pas cet État que j'ai choisi et que j'ai dit non, c'est votre État, ce n'est pas mon État. Mm-hmm. Est-ce que voilà, Parce que les bases du contrat ont été violées. Mm-hmm. C'est en ce sens-là, ou bien on voit le souverain vivre dans les conditions normales, entre parenthèses, température et dépression, alors que moi je vis dans la précarité. Les lois, euh, les bonnes lois sont faites pour euh, le souverain, les mauvaises lois pour les citoyens. J'estime que non, c'est là-bas la, la, base du contrat. Du contrat été les bases du contrat ont été violées. Par conséquent, ce états là ne me regarde pas. Mais il se trouve qu'il y a un problème de base, de fond qui est là. C'est peut-être l'alphabétisme. Dès qu'on dit l'État, les gens savent que c'est le gouvernement, mhm. c'est les gens qui sont entre quand même ce qu'on appelle Yora. Est-ce que vous voyez Nous, ça mhm. ne regarde pas. Et les gens ont tendance à croire que l'État, c'est pas nous. Je disais tout de suite à mes élèves, euh, tout de suite hein, en classe, j'ai dit, mm. bon, euh, euh, mais ce qui est en train de se passer, si vous n'êtes pas content, ça dépend de qui ça ne dépend pas de quelqu'un, ça dépend de nous. Quand mhm. les gens lancent des mots d'ordre, c'est vrai, l'État a le rôle de faire fonctionner, comment on appelle ça, l'institution euh, sociale, qui est l'école. Mais vous, qu'est-ce que vous cherchez Vous défendez un certain nombre d'intérêts. C'est ça, non mhm. Mais quand les gens donnent un mot d'ordre, si nous sommes dans une communauté, il faut l'obéir. Je ne veux pas re-voter les ailes, mais c'est la vérité. Il faut l'obéir. Il faut obéir à ce mot d'ordre. Parce que quand il va avoir des avantages, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour tout le monde. Est-ce que vous voyez Mais les gens estiment que non, c'est les autres qui doivent faire le travail. Moi, je ne dois pas faire. Est-ce que parce que tout simplement, c'est les autres qui sont dans le beurre. Donc, il y a un certain désengagement du citoyen, un certain désintéressement du citoyen par rapport à, l'État. Il estime que l'État, c'est le droit, c'est vous, ce n'est pas Monsieur Hossein cela ne découle pas du fait que, justement, les citoyens ne participent pas, on le sait, à l'élaboration du contrat social. Quand on prend la Constitution, nous avons plus de 110%, pour ne pas exagérer, qui sont dans une situation d'analphabétisme et on vient juste et on vote, on ne sait pas ce qu'il y a. Nous sommes ici en philosophie, on ne fait pas la politique, on dira la vérité. <laughs> c'est le sens de la philosophie. La base, les conditions dans lesquelles nos constitutions sont votées ne sont pas des constitutions qui regardent véritablement le peuple en tant que tel. Mhm. Est-ce que vous voyez J'étais à l'opposition à un certain moment, et en 2010, lorsque la constitution de la 7 République a été proposée, et nous, en tant qu'opposants, nous avons proposé un autre type de constitution, le régime présidentiel. Mhm. Mais est-ce que, euh, lorsque nous sommes venus au Conseil, au conseil, nous, nous sommes l'expression d'une partie de la population. Mhm. Et il y a l'État, ceux qui estiment être l'État, qui veulent proposer un contrat. à, la population. Nous aussi, on est une partie de la population, on a dit que nous proposons un autre contrat. Mhm. L'idéal serait quoi C'est qu'on propose les deux types de contrats. Mhm. Nous avons fait le débat d'abord au Conseil consultatif. Bon, euh, vous savez les conditions, quand, quand, un pouvoir est renversé, il n'a plus de force. Les gens ont dit non, non, non, on a, comme le régime présidentiel, c'est une seule condition envoyée par l'État. Mais en vertu de quoi ceux qui nous proposent vont nous proposer une seule constitution. Je suis en philosophie, j'ai dit bien. Mhm. Sur la base de quoi ils vont me proposer une seule Est-ce qu'ils m'ont donné la liberté de choix Or, l'élément fondamental, l'élément fondamental d'abord, c'est le choix. le choix, l'expression de la liberté, c'est capacité de choisir ou de ne pas choisir. Alors que le référendum, on dit voter oui ou non. Et le oui, le, <laughs> oui, on voit que le, oui, est toujours. On, on, vous limite aussi sur un texte. Et aujourd'hui, je suis surpris que vous entendez des Nigériens qui disent non, mais attendez. Normalement, on doit revenir au régime présidentiel. Mhm. Alors qu'ils avaient la chance de donner cette opportunité. Je pense que le premier vote qui devait être fait, c'est on demande aux Nigériens êtes-vous pour un régime présidentiel ou un régime semi-présidentiel Ils choisissent. Ils Ensuite, on Après, on, peut, on revient, on vote. Qui maintenant que vous avez dit que vous êtes pour, combien sont pour le régime présidentiel Ou bien s'ils ont dit pour le régime semi-présidentiel. C'est ça la démarche. On revient sur les amnisties. Tous ceux, qui, tous ceux qui, mm. viennent au pouvoir mm. ont un objectif qu'ils poursuivent et ils veulent que coûte atteindre cet objectif-là. Est-ce que tu Ils se donnent les moyens pour atteindre et mettre les citoyens dans un, dans comment mm. dans, dans un euh, canal dans, un couloir et qu'il. Euh, parce que normalement, si vous allez battre campagne pour le référendum, vous n'avez pas besoin de, de, de l'argent. Ce sont les idées, c'est expliqué. Mais euh, tout ça là, les conditions dans lesquelles ça se fait ne permettent pas véritablement aux citoyens véritablement de choisir. C'est pourquoi les gens vous disent, de toute façon, nous, on nous a dit de voter, on a voté, on ne sait pas de quoi il s'agit. Est-ce que la Constitution a été bien expliquée Est-ce que le Code électoral a été bien expliqué Est-ce que le statut de l'opposition a été bien expliqué aux gens avant de la retraite C'est ça toutes les questions qu'il faut se poser. Est-ce que ça a été véritablement discuté C'est ça la que question. se joue la responsabilité. Monsieur on a l'impression que c'est une minorité quand même euh, qui... Uh-huh instruites et qui arrivent à décider, qui arrivent à donner leur point de vue. Qu'est-ce qu'il faut alors euh, Est-ce c'est cela le problème de... en fait de, mhm. la démocratie euh, véritablement mhm. euh, Vraiment, la démocratie n'est pas aisé dans un peuple d'ignorants. Mhm. Je pense que euh, vraiment, si on veut réussir une démocratie, il faut un peuple euh, vraiment de personnes cultivées. Parce que là, on a l'impression qu'il y a des élites quand même qui. Si je parle de mhm. l'exemple euh, dont vous parliez tout à l'heure, mhm. on a proposé juste une constitution au peuple. Bon, et puis voilà, je, crois que celui qui expliquait faisait mention que les gens n'étaient même pas au courant. Enfin, ils, ne comprenaient même pas, ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans, le, le texte. C'est là qu'il faut faire justement l'effort. Parce que le peuple intervient justement dans le choix. C'est qui va valider ou invalider cette constitution. Mhm. Mais pour ça, je pense qu'il euh, faut qu'il soit au courant euh, de son contenu. Euh, vraiment, le grand problème, c'est ça. Ceux qui réussissent le mieux la démocratie, c'est, euh, je pense, des peuples euh, d'hommes cultivés. Je pense que Platon l'a dit déjà à l'Antiquité. Hein. Mhm. La, démocratie, disait-il, alors, ne convenait qu'à un peuple de Dieu. Mhm. Je pense que ça, c'est un minimum. L'éducation, c'est la base, vraiment, pour pouvoir réussir une démocratie viable. Parce qu'il faut d'abord que les citoyens comprennent quels sont ses droits, quels sont ses devoirs. Je pense que ça, c'est essentiel. regardez comment <laughs> le vote se passe chez nous n'est-ce pas euh, tout, tout, le monde sait. Euh, vous pouvez acheter les voix. Euh, les portiers savent que quand ils ont assez de moyens, ben, ils, sont assurés d'arriver au pouvoir parce que les voix s'achètent, s'il vous plaît, avec un On peut vous garantir d'être au moins député. justement, parce que les gens, il suffit même d'un peu avec un morceau de savon, avec un morceau de pagne, avec tout, tout ce que vous savez, vous pouvez acheter des voix. Euh, alors comment donc, dans ces conditions-là, construire une démocratie viable Ce n'est pas possible. Je pense que c'est d'abord ça la base, n'est-ce pas euh, Mieux un peuple éduqué, plus il peut réussir dans, dans, la démocratie, qui est un processus, qui est un processus de longue haleine, euh, je reconnais. Euh, nous sommes bien sûr dans ce processus-là, petit à petit. On évolue certes, mais peut-être, euh, <laughs> n'est-ce pas, avec beaucoup de ratés, je suis d'accord. Euh, mais voilà, donc je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut éduquer le peuple pour qu'il comprenne que c'est à lui la souveraineté. Quand on parle du peuple, justement, il y a une confusion. On voit mhm. ce qu'on voit souvent. Chacun pense être mhm. l'affirmation du peuple. de tous les côtés, on parle de la souveraineté <laughs> populaire. Qu'est-ce que, que ça signifie, cette souveraineté populaire Quand les gens disent c'est le peuple, vous allez voir de tous les côtés. Hein. Même les opposants, souvent, quand ils marchent, ils disent c'est le peuple. Je pense que c'est une très bonne question là que, mm. vous posez. Mm. Euh, en effet, bon, euh, à mon avis, elle découle de ce mm. qu'on vient de dire tantôt. L'éducation, n'est-ce pas, qui n'est pas tout à fait établie euh, aujourd'hui. Ceux qui prennent euh, ou ceux qui jouent le rôle de peuple, c'est surtout les structures organisées. Mhm. Voilà la situation. Euh, c'est Quand on parle de peuple, mhm. c'est la classe politique, c'est les partis politiques qui sont organisés, euh, c'est les, syndicats, c'est les associations de droits de l'homme, c'est comment dire la société civile, et ainsi de mhm. suite. Mais la population elle-même, n'est-ce pas, qui doit prendre ce titre qui doit décider elle-même, bon, justement, elle est comme un bétail vraiment qu'on Voilà la situation. Mhm. Hein, alors que c'est elle qui doit avoir euh, la part belle dans ça. Mhm. Euh, comme on, le dit, tout le monde connaît cette définition, la démocratie c'est le gouvernement du peuple, pas le peuple, le peuple, Mais justement, donc aujourd'hui, euh, justement par manque d'éducation, le peuple aujourd'hui, c'est surtout les structures organisées c'est pas vraiment le vrai peuple <laughs> qui doit justement. c'est cela là, Oui, monsieur Hussein Salatou euh, je pense que <laughs> c'est une très bonne question, comme l'a dit Laoli. Mhm. Mais bon, comment voulez-vous que fondamentalement, les gens puissent défendre les intérêts lorsque cette notion de peuple ne le concerne pas. Comme il l'a dit, je suis d'accord avec lui, la notion de peuple ne regarde que les structures véritablement organisées. Euh, les parents qui sont au village, qui savent ce qui se passe véritablement euh, de toute façon, <laughs> aujourd'hui, ils se sont résignés. Ils disent on attend la campagne, on va venir de nous donner l'épargne Et puis bon, de toute façon, c'est entre eux. Mhm. Est-ce que vous voyez Mais, euh, en tout cas, de manière pratique, si je remarque ce qui se passe au Niger, les mentalités ont commencé à changer. Mhm. Même les gens du village, ça a commencé véritablement à changer. Et entre eux, euh, les gens du village et, ceux qui sont à Niamey qui font la politique, je me dis que plus malin que l'autre. Quand nous allons en campagne, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il n'y a plus de bagarre dans les villages. Les gens s'organisent. Quand vous venez dans un village, tous les villageois viennent, ils disent qu'ils sont de votre parti politique. Ils sortent votre drapeau. Ils savent qu'ils vont, ils vont toucher de l'argent, ils vont toucher des biens, ils les mettent de côté. Ils attendent le militant de notre parti, c'est la bise qui va venir aujourd'hui, le président de la bise. En tout cas, il y a un président de la bise, il rassemble tout le monde, vous comprenez <laughs> Ils se disent que c'est un jeu de dupes qui se passe. Alors, pendant cette période de traite, c'est comme ça qu'ils l'appellent hein, pendant la, période de campagne, cette période de traite, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut s'entendre, au lieu de se manger le nez, au lieu de se boxer, il faut s'entendre pour mhm. amagasiner le maximum de butin. Mhm. Donc, je me dis, où est-ce que ça va Et puis, il y a un deuxième phénomène. Regardez, la, classe politique aujourd'hui est, prise en sandwich. Par quoi Nous croyons être plus intelligents que le peuple, nous l'exploitons, nous faisons tout, mais à, leur tour, ils nous exploitent aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus, en tout cas, des prisonniers, en tout cas, de, nos militants. Est-ce que vous voyez J'avais dit au cours d'une conférence que eh, lorsque vous êtes un leader des parti politique, si vous ne faites pas attention, si vous êtes à l'opposition, vous devenez ce que j'appelle une PPTE, une personne pauvre très endettée. Est-ce que vous voyez J'ai dit si vous êtes au pouvoir, si vous ne faites pas attention, vous devenez un DDP, un, détourneur de données publiques. Pourquoi mm-hmm. Parce qu'il faut satisfaire les désirs des militants. C'est le baptême, les ordonnances, les voyages, les mariages, tout. Donc, je me pose la question de savoir aujourd'hui, entre eux et nous, qui est le plus dupe Moi, en tout cas, quand des amis aujourd'hui veulent faire de la politique, j'ai dit, laissez tomber. Si c'est ça, en tout cas, la politique telle qu'elle se conçoit dans nos territoires, en tout cas dans nos pays aujourd'hui, je dis c'est pas de la politique. Nous avons cru être plus malins, mais il ira bien qui le, dernier. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Monsieur Loli Abdelimam, nous voyons bien l'État est légitime. Est-ce que la légitimité de l'État est pérenne euh, c'est-à-dire, euh, est-ce qu'on mhm. voit réellement cette légitimité de l'État partout où on est et à tout moment oui, euh, je pense bien, puisque, en tout cas, vous avez même, comment dire, dans les théories, pour, revenir un peu à la philosophie, beaucoup qui soutiennent quand même le bien fondé de l'État. Hein. Euh, tout à l'heure, par exemple, euh, mon collègue vous parlait de Hobbes. Mm. Hobbes dit, bon, effectivement, face à cette insécurité permanente dans laquelle donc nous plonge l'État de nature, mm-hmm. il est impératif d'aller vers la paix et la sécurité. Et la paix et la sécurité ne peuvent être garanties et assurées que dans l'État. Mhm. n'est-ce pas euh, Si vous allez par exemple vers Hegel, également, vous allez voir, euh, c'est quelqu'un, un des, des, auteurs qui justifie euh, justement l'État, n'est-ce pas mhm. L'État ne peut pas être fondé, dit-il, sur le bon plaisir de quelqu'un qui se fait respecter par la force. Là, je pense qu'il s'attaque sans le nommer à Hobbes, n'est-ce pas Il reconnaît que l'État est certain à appareil de contraintes, parce qu'on ne peut pas être dans l'État sans être contraint, ne serait-ce que par les lois n'est-ce pas Mais cette contrainte, dit-il, est nécessaire à la rationalité et à la liberté de l'individu. Autrement dit, les, qualités les plus éminentes de l'homme ne peuvent jamais se réaliser, n'est-ce pas se, se concrétiser que dans et par l'État. <laughs> comment est-ce que je peux épanouir ma raison dans l'état de nature Ça n'a pas de sens. Ou mhm. tout à l'heure, vous l'avez dit, je risque à tout moment ma propre perte. Il faut donc absolument l'état moderne et à ce niveau, nous voyons les lois. Et mhm. est-ce qu'il faut alors craindre l'état quand on prend par exemple les pouvoirs que nous avons, la justice Il y a beaucoup de gens, dès que vous leur parlez de la justice, ils ont peur et on a l'impression que tout à fait, la vision à ce niveau, elle est tout autre. on peut craindre l'état, euh, effectivement. Bon, si je reste dans votre euh, question, je veux mhm. dire dans votre vision, effectivement, par exemple, ceux qui ont peur de la justice. Bon, euh, tout ça, à mon avis, ça participe justement de, cette mauvaise éducation du peuple. Mhm. Vous voyez bien que dans des peuples qui sont éduqués, et euh, eh ben, le premier réflexe euh, d'un citoyen, n'est-ce pas, qui se sent offusqué, etc., c'est d'aller vers la police. Mhm. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, chez nous. Il y a tout ce rétissement. Bon, sinon, pour critiquer l'État, <laughs> pour montrer que c'est n'est pas bien fondé, là aussi, pour rester vraiment en philosophie, vous avez des auteurs bien établis. Hein. Tout à l'heure, par exemple, bon, on a parlé de, de Marx, bien sûr, mais on peut aussi autant parler euh, des anarchistes qui veulent la suppression de l'État. Si Marx prône un débaissement progressif de l'État, mhm. les anarchistes veulent la suppression de l'État immédiatement. Ici et maintenant, il faut abolir l'État. Je pense bon, qu'ils ont <laughs> certaines raisons, euh, ne serait-ce que, enfin, pour eux, si vous voulez, la base hein, de leur théorie, c'est que l'individu, c'est la valeur suprême, mhm. c'est la valeur absolue. Malheureusement, l'État tend à être le mal radical. Euh, pourquoi D'abord, par simple, par, par la contrainte des lois. Nous ne pouvons pas être dans un État organisé. Effectivement, c'est ça la différence. Tout à l'heure, Salah Toubazan parlait de la société animale et la société humaine. Mhm. Mais c'est justement, la différence, c'est que la société humaine euh, est faite d'institutions mhm. n'est-ce pas <clears throat> Donc, euh, il y a des lois strictes qui régissent le fonctionnement mhm. ici. Donc, justement, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la société. Je veux dire, tous les comportements sont régis par des lois strictes auxquelles il faut obéir. Donc ça, c'est déjà une contrainte parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Mm. Faire ce qu'on veut, c'est peut-être l'état de nature, en tout cas jusqu'à la limite de ses forces, là-bas même, mm. n'est-ce pas euh, euh, euh, D'autre part, par exemple, ce sont les États qui contractent des guerres. Et donc, l'État ne met pas seulement en péril la liberté, euh, si tu veux, individuelle, mais il met même en péril la vie des personnes. Parce que quand tu as des guerres, euh, contactées par les États, mhm. n'est-ce pas Il engage les citoyens. Ce sont des citoyens qui meurent. Mhm. Donc, vous voyez, alors qu'ils euh, professent au départ, disons, ou à la base de la racine de leur théorie que l'individu, c'est la valeur suprême, c'est la valeur absolue. Voyez-vous Donc, par conséquent, euh, là aussi, l'État doit disparaître. Et, d'ailleurs, il critiquent les institutions qui sont justement la caractéristique de l'État. Tout à l'heure, nous avons défini l'État comme un ensemble d'organes, d'institutions, etc. Hmm. ils disent que euh, les institutions démoralisent les hommes. <laughs> Ils donnent des exemples ici euh, par exemple, l'université, comment dire, ou, bien les prisons sont des universités du délit et du crime. Hmm. Parce que justement, les malfrats qui y vont, au lieu donc de s'amender, de revenir vraiment comment dire, repenti de tous les mots qui nous a amenés, mais ils trouvent des spécialistes qui les encadrent. Euh, vraiment, euh, comment dire, dans l'art qui les a conduits. Voilà la cherche. Mais faudrait-il alors qu'on les isole, quand bien même, M. Lorlé Abdelimam les isoler comment C'est-à-dire quand vous parlez des prisons <laughs> où on trouve les criminels, les délinquants et autres. Mhm. Ils sont là-bas parce qu'ils nuisent à la société. Oui, bien sûr, mhm. bien sûr. Mais euh, en fait, le but, mhm. ils vont Justement, euh, dans les prisons, normalement, l'objectif, c'est de s'amender c'est de revenir vraiment repenti, euh, vraiment de tous les travers qui, mhm. les y ont conduits. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que vous avez beaucoup de récidivistes. Mhm. <laughs> c'est ce que les juristes appellent <clears throat> les, récidivistes, justement. Donc, euh, il faut que les prisons soient, euh, bon, peut-être des endroits où, comment dire, on doit faire mention <laughs> honorable, je vais dire, où vraiment, ils doivent pouvoir se racheter de leurs péchés, etc. Bon, c'est comme, passant un moment, euh, les prisons d'enfants chez nous, mhm. n'est-ce pas On leur apprenait par exemple certains petits métiers et ils sortent au moins euh, outillés pour pouvoir faire quelque chose pour se débrouiller dans la vie. Bon, c'est malheureusement pas le cas dans la plupart des universités aujourd'hui. Euh, c'est n'est pas le cas seulement mhm. chez nous, mais même ailleurs. <laughs> Vous voyez un peu le phénomène des, gangs qui se mhm. passent dans des États, en tout cas, ou des démocraties plus évoluées, où les chefs sont souvent dans les prisons, etc. Monsieur là tout un mot. nous voyons l'État important parce que l'État vise avant tout le bien commun, mais on voit quand même que l'État des détracteurs, comme on a eu à le dire. Nous savons, Nietzsche a dit, l'État c'est le plus froid de tous les monstres froids, il ment froidement. Et il explique tout cela. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau Que faut-il faire pour que l'État ne puisse pas abuser de ce qu'il a comme monopole Vous savez, euh, euh, de manière paradoxale, c'est les citoyens même qui se sont donnés un monstre. Mm à travers, je fais une analyse philosophique euh, des choses, hein, pas une analyse politique. Mhm. Quand vous prenez même la constitution, déjà, qui est la loi fondamentale à laquelle j'ai, à la libération à laquelle moi, en tant que citoyen ordinaire, j'ai participé. Mhm. Mais il se trouve que sans le savoir, je me suis donné, un certain nombre de contraintes, un, certain nombre de pouvoirs sans, euh, à, l'autorité souveraine sans le savoir. Mhm. Regardez, prenez les articles droit et devoirs des citoyens. On dit par exemple, je prends un exemple, on dit l'État reconnaît et garantit le droit syndical et le droit de grève qui s'exerce dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Ça change déjà tout. Les lois et les règlements en là. Souvent, c'est après on vote ça. C'est après qu'on vote ça. Et qui va voter ça, c'est pas, le peuple. C'est pas, pas, le, pas le, vrai peuple qui a passé par, le référendum. Mais on a dit le peuple exerce sa souveraineté à, travers... ses représentants. Ça les députés. Et malheureusement, et là, je suis d'accord avec euh, euh, vraiment euh, les marxistes qui disent que c'est l'expression d'une classe bourgeoise. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale, c'est vraiment, c'est pas tout le monde qui va à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi les gens ont pris la précaution dans, la Constitution. Ils ont dit que il faudrait que 75% des gens qui vont être députés, au moins les BPC, on laisse les autres aux députés. Parce qu'on savait que si on n'avait pas mis cette disposition, l'Assemblée nationale va être prise complètement euh, en, otage par, euh, en tout cas, les, opérateurs économiques. Donc, sans le savoir, en votant cette constitution, j'ai donné une arme de contrainte aux souverains. Et c'est ainsi qu'on regardait les manifestations. On dit, par exemple, que, euh, je est très rapide, il y a une loi qui dit que Lorsque la manifestation, euh, l'autorité n'a pas donné son avis, en tout cas 24 heures avant la manifestation, la manifestation est autorisée d'office. Mm-hmm. Cela voudrait dire que si le programme de faire une manifestation demain matin à 8 heures, et que aujourd'hui à 8 heures, le, le souverain, l'autorité n'a pas dit c'est interdit, à partir de midi, cette manifestation est autorisée. Mais en même temps, la loi dit que cette manifestation, l'autorité peut l'empêcher pour des questions d'ordre sécurité, etc. Vous voyez la contradiction. C'est ainsi que votre serviteur, en, 2014, lorsqu'il y a eu l'affaire Charlie, nous avons programmé une manifestation le lendemain, le 18, et nous avons attendu pour une manifestation du dimanche à 8h, et c'est à, 22h qu'on nous dit que la manifestation est interdite. Et nous avons bravé la loi, parce que nous avons une violation de la loi on à... Cette affaire de braver la loi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'État soit bénéfique aux citoyens Je, pense que c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Mhm. L'État, ça aussi c'est joli, il a donné un certain nombre, il a mis en place un certain nombre de mécanismes pour améliorer le fonctionnement de l'État et permettre aux citoyens ordinaires d'améliorer le fonctionnement. C'est quoi C'est la liberté d'expression, la presse. C'est ça. Eric Way disait que rester t il aux citoyens ordinaires pour améliorer le fonctionnement de l'État Il dit une seule arme, mais d'une efficacité décisive, la critique. C'est Schopenhauer qui dit d'ailleurs que l'État n'est que la muselière dont le but est de rendre inoffensive euh, cette bête carnassière. je voulais. voilà, que faire à mon avis Moi, je préfère aller chez Rousseau mhm. euh, parce qu'il a dit, n'est-ce pas mhm. L'État, dit-il, était moyen de réalisation des aspirations individuelles. Merci à vous tous qui avez suivi ce forum du studio Kalangu qui a porté sur euh, le thème l'État, définition et mission. Une émission qui est à présent à son terme. Nous avons eu comme invité M. Hussein Salato, ancien ministre, philosophe et homme politique. Euh, également comme invité M. Loli Abdoulimam, professeur de philosophie, ancien conseiller pédagogique et actuellement en formation pour l'inspectorat en philosophie. À la réalisation de cette euh, émission, Boubouka Diallo, à la technique, à Santawai, présentation, Michel Deji. Merci et au revoir.